l'homme est détecté automatiquement fay automatiquement. ah oui waaw donc dafa am système de détection et d'extinction d'extinction automatique des incendies. Donc, si biir dëkk bi la ñuy yem wala mën nekk si wala nekk aussi dañuy nekk également si si si voilà au niveau boo les deux versions. Mm. dañuy mën nekk en maintien de l'ordre mais nga mun leen aussi pour des opérations de combat. Mm. Lool moy importance ou engin blindé yi nga xamanteni mom moom la moom la gendarmerie yoré actuellement. Mm. ñi nga gis ni c'est les Cobra 2 ñoom euh, dañuy dem ci àll bi bu leen dañuy def opération maintien de l'ordre déjà mais yi ma doon wax léegi ni ñoom ñooy fay bu amee tàkk-tàkk si kaw tali bi mais boo ko bëggee da nga koy yóbbu si àll bi mu nekk encore euh, bokk si li nga xamante ni mooy xeex bi au côté des armées. de la légion gendarmerie d'intervention gis nañ léegi aussi ay toman yoo nga xamante ni jàll nañ fii mooy oto yi nga xamante ni ñoom ndox la ñuy génnee pour éloigner li nga xamante ni mooy manifestant yi euh, ñoom bu ñu rombee nag. L'ici siy moy version portée LG version portée ñoom dañ leen a dugal ci ay oto yoo nga xamante ni euh, ay Iveco man Iveco la ñu ay minibus ñoom euh, ki ñuy wax capitaine Aliou Mal moom moo nekk ci kanam euh, mu nekk ay oto yoo nga xamante ni ay minibus la mais version 4x4 lay doy hmm. waaw oto yooyu aussi on les a conçus exclusivement pour le maintien de l'ordre benn ku ci nekk mun nga jël lu mat fukki nit ak juróom-ñaar hmm. yoo nga xamante ni ku ci nekk day yore sa équipement complet donc mu nekk oto yu bees yoo nga xamante ni euh, yu am solo la pour euh, le maintien de l'ordre bu si nekk aussi dañ koy monter li nga xamante ni mooy trappe de tir mhm. trappe de tir mooy permettre ñu mën a nekk ci nekk si ci biir mën a lancer ay grenades pour mën a tenir à distance bu fekkente ni dafa am ay manifestants mhm. ñoom ñoo jàll nii ah ñoom ñoo ñoom ñooy ñoom ñoo jàll léegi ñooy nekk di jàll nii waaw ñoom ñoo ah, nekk euh, di jàll euh, si c'est ginnaaw ñu ngi am li ñuy wax la section film Cinofil Cinofil moom la ñuy woowee Cinogroupe euh, moom la ñu yàgg di tuddee Cinogroupe mu nekk unité spéciale bon, nga maintenir, nous ñu ngi bokk gendarmerie mobile euh, ki nekk si seen kanam tudd capitaine Pape Chrysogone Mendy Cinogroupe nag une particularité boo xoolee ba léegi ni version portée bu LG bon, moom mooy moy auto yi ñu doon wax léegi. Mm. mu nekk auto yu am solo yoo nga xamante ni dañ ko équipé si biir defar lépp pour exclusivement transporter euh, des éléments au maintien de l'ordre donc mu nekk auto yu am solo di remercier euh, autorités yi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner euh, équipement ak modernisation moyens d'intervention yi yi gendarmerie nationale amee donc nous sommes léegi ci ki nga xamante ni moom wax euh, en 1979 déjà mu nekk euh, section synophile, depuis 1979 ñu créé l'aide, nous euh, ko ci sous les ordres du capitaine Pape Chrysogon Mendy nous avons yore ay xaj allemands des bergers allemands des bergers belges malinois des des chiens ces chiens sont orientés dans la recherche d'explosifs dans la recherche d'armes de hein. stupéfiants les bombes etc. un chien de garde patrouille également et sa version principale euh, sa vocation principale est la lutte contre le terrorisme hmm. la lutte euh, le trafic illicite de drogue mais le grand banditisme aussi unité bi L'unité ko caserne générale nous am aussi yokkute bu solo euh, parce que euh, gendarmerie nationale créé li centre de mhm. centre de formation nga euh, il a été créé avec la coopération allemande mhm. di former ay nit ñu bari si mbirum xaj ak sont à l'aéroport. actuellement unité canine mi ngi à aéroport Blaise Diagne international Blaise Diagne euh, ñi ngi préparé aussi pour installer une euh, unité canine au niveau de Touba Fall mais aussi à Mbour ah. mais ici, si am solo mooy euh, ba de gendarmerie Boussinec nek, nekk da ngay am unité canine pour lay jàppalee ci liggéey bi. parce que ngay wax ci aéroport bi solo xaj yi mel di fa parce que aéroport international Blaise Diagne c'est l'un des meilleurs aéroports d'Afrique on l'a dit récemment mm-hmm avec euh, les équipes d'Abdoulaye euh, et le ministre des Transports aériens de Mais il dem naa mhm. ak gendarmerie ci mbirum fret bi gis C'est extrêmement important. C'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Donc, nous avons dem liguey am fa lu mat juróom-benni fan di def seen liggéey sans avec une autonomie opérationnelle hmm. loolu dafa am solo pour que nous nous nga souligner ko boo xoolee gis nga groupe électrogène yaa ngi nii ak yaa ngi noonu ci biir oto yi moom mooy oto yi nga xamante ni lépp li ñuy soxla mi ngi si biir bu ñu génnee tey mën nañoo def juróom benni fan si biti te duñ soxla dara ñii di ñëw nag ñooy section spéciale waaw xaj yu doy waar la xaj yu doy waar la c'est très important exactement important waaw kii ñu gis nii di ñëw moom mooy lieutenant Aïssatou Cissé Diagne Moi, mon ex section spéciale chargée de la protection de l'environnement. Une unité spéciale bu am solo train nga protection des ressources naturelles cette rôle mission c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement notamment l'extraction illicite de sable marin Nous avons koy les diplômés, les sous marins

de 300 et 600 chevaux, qui sont longues de 7 et de 9 mètres pour l'action en fluvio-maritime, euh, mais aussi en milieu fluvio-maritime, mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC. Bon, nous avons intervenir sur les plus produits chimiques produit NRBC composé de personnel chimistes, de physiciens aussi, qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menaces NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage clan, euh, traditionnel. dañuy wax dañ ko wax te da ngeen di nëbbatu parce que lii. waaw lii am solo ay solo ah. am solo lii moo leen di permettre ñu mën a intervenir si zone bi nga xamante ni dañ ko contaminé wala mel moto yi moto yi ñuy permettre ñu mën la surveillance des plages moom la wax les les donc littoral bi yëpp moto yu mel nii lañ fa yore pour mën a def des patrouilles parce que suuf si dafay bari donc c'est pas adéquat ñu yóbbu fa ay oto donc loolu moo tax. Euh, ñu fa yóbbu yi. c'est 700 euh, kilomètres de côte hein. voilà may profité aussi ci occasion bi di res di di nuyu sunu naataango yi nga xamante ni euh, waa Saint-Louis mais ak waa Gambie ñi nga xamante ni ñoo nekk Misega ay ñoom Touré ñoom Camara. muy sunuy xarit ñoo xamante ni sama ñoom xarit yeneen yi Arouna Sarr ñi nekk Centrafrique ñi nekk Congo. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu ñi nekk Mali.

Hein, de la Légion de gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Medoun Ndiaye. Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et compétente sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous, petit Sénégal, L'escadie est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnels navigants, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Mmh. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du renseignement, mais aussi dans l'appui feu, notamment dans la saturation entraînante des zones tenues par les manifestants à partir de la troisième dimension. aussi, l'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre, soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et euh, longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 km. 120 km 120 drone il daf koy dem. téeméer ak euh, ñaar Il voilà yenn yi pour surveillance la yenn yi pour ay lance-grenade mais mais mais surveillance drone il lance-grenade. day lance-grenade yi a gis nii dañuy ñëw mën nañu dem des petits euh, manifestants, yi sànni fa ay grenades donc continuer faire une ligue de surveillance. man de a naa ay drone yu arrosé ay incubateur bu Mboro bi. le professeur Aïssatou Sow

di leen ko yombalal di euh, jox les moyens qu'il faut diko moderniser nak aussi. dañoo sax ah. je vois les les yeux de Mustapha Ndiaye. qui peuvent scintiller hein. parce que lui il aime tellement les drones mais. les drones d'une telle capacité. Euh, amna ko quand même am na si unités yo nga xamanteni ben bu ci nek dafa autonome. mais li dafa la formation il faut qu'on insister si lolu parce que li capital ay nit ñokay doxal. formation bu am solo ay nit ñokay doxal. boo xolé seen biir ay personnel navigant amna ay électroniciens amna ay informaticiens. On a des transmetteurs mais aussi des télépilotes et ça c'est important Nous avons ñom détachement sécurité routière mooy ñom euh, capitaine Malik Faye Monek nek euh, elles sont cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière. Ah. Ils sont implantés à la caserne générale Wali Faye de et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires, nationaux comme étrangers, euh, désireux d'être formés à la conduite automobile, à la conduite motocyclette, mais aussi à la sécurité routière. Donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les axes routiers, de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accidents sur, sur la circulation routière. ils sont sur l'autoroute, ils ah. sont boholés, il euh, y a une bonne politique de sécurité routière. commandement a créé une brigade routière yu bare bare bare Yoblen, si dëkk qui bi moom na ay ah, def donc ah. commandement bi créé les brigades routières créé une UTI donc pour renforcer les ci li nga maintenu moins formation Nous bataillon des transmissions aujourd'hui lieutenant-colonel Sekou Keïda je passe la main au colonel euh, Koulibaly. Euh. oui Donc, euh, directeur de la DIRPA commence donc le, défilé militaire le défilé donc euh, des unités des armées donc le bataillon des transmissions donc c'est l'unité qui est chargée en fait, euh, d'assurer les communications au sein des armées. Ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armées. Donc le détachement qui passe effectivement aux ordres du chef de corps du, bataillon de transmission. Euh, il appuie euh, parmi ses missions, donc il appuie le commandement pour les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique, également l'appui logistique par l'équipement organique des unités. Ils sont là, c'est des hommes et des femmes concentrés sur leur engagement pour la nation. donc vous pouvez voir euh, euh, parmi les équipements donc, des véhicules euh, qui peuvent être... C'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain, notamment dans des, dans des, dans des, même dans des zones où euh, avec de grandes antennes sur les véhicules. ça sert à quoi Ça sert à, assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées. La haute technologie, hein, dans les armées, on sait que même pour Internet, tout ça là, ça a commencé avec les, militaires. Euh, c'est de la haute technologie. Hein. Nyom, Harala Yubesi, Nyom, dit tout. comme on dit, qui veut la paix prépare la guerre, comme le disaient certains auteurs tels que Végès au IVe siècle ku bëgg a jàmm moom da ngay fagaru d'abord waaw comme ça képp kuy jéem a indi ay jikko yoo xamante ne àndul ak jàmm rek mu xam sa tolluwaay lii lan la mon colonel donc celui-là c'est le, le, le premier bataillon d'infanterie qui passe infanterie mooy lan euh, suñ ko waree tëgg si wolof infanterie mooy euh,

mais posture bi euh, di am militaire bi ni moi je suis ci kanam chef de corps donc euh, il est au garde à vous C'est comme ça qu'on se on, défile en véhicule. donc euh, il a déjà salué et donc il reste il garde donc sa son allure martiale sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Mhm. voilà donc juste derrière lui donc il y a le drapeau il y a, il y a le drapeau la garde au drapeau du bataillon donc chaque bataillon a un drapeau ñoom ay fulaar yu bleu la ñu tàkk lu ko waral. waaw c'est le donc le bataillon est commandé par le lieutenant colonel Sidi Fall effectivement. ay yu bleu ñu tàkk lan moo waral. donc en ça, peut être bleu ça peut être une autre euh, couleur. donc ouais. ça dépend donc ça fait partie de euh, de la tenue de parade. et ay chars de combat la wala non c'est c'est c'est pas des chars de combat. gis naa jigéen bu yore arme bu ngand la. oui est c'est une 12-7 c'est une euh, mitrailleuse 12-7 euh, qui se qui est donc en. Euh, en, en, qui permet donc à, au, au, de, de, délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est un, une arme donc qui est, qui est, qui est, qui est solidarisée du véhicule. Voilà. D'où cette euh, euh, voilà et puis autorité de ñoom ay tur sant développement Jacques gis naa ko fii Goudomp maa ngi gis Kaymor mais mais mais mais jigéen bu war a yore du set moom kooku xanaa dana bëri doole lool parce que du set du arme bu ndaw. bon fi mu ne dafa dafa taxaw donc elle est, si elle si elle devait servir cette arme là elle, elle serait capable de le faire puisque elle, elle ne supporte pas le poids de l'arme elle va juste devoir euh, viser correctement et tirer donc euh, il euh, n'y a pas de problème à ce niveau là. góor baax na jigéen baax comme on dit et qu'est-ce qui suit. donc c'est le bataillon c'est le bataillon de blindés c'est. Euh, donc c'est une unité de réserve générale euh, qui a à sa tête donc le lieutenant-colonel euh, Alois Alors quand on dit blindé, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindé Les blindés, c'est tout ce qui est char, pour, simplifier, donc pour simplifier, c'est tout ce qui est char. Mhm. Euh, on appelle également la cavalerie parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec euh, des cuirassés. Euh, mais de manière générale, donc, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite mmh. et d'apporter d'apporter vraiment. Euh, et de taper très fort, en, fait. Voilà. Mmh. Caroline qui passe devant nous. Donc, donc, Again de l'autre côté. On va penser à Diamond également pour parler de ce cousinage à plaisanterie qui cimente le Sénégal entre Poulard, Dola et Serrer. Voilà, de bonnes euh, Très certainement, il y a eu d'avoir des, euh, des engins qui portent également le <laughs> nom. voilà. C'est tout un lexique qui accompagne ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Avec les noms des engins Wallou, et puis voilà, parce que camion bimom monde, à à les moignons, c'est des donc ça ce sont des camions citernes qui font donc partie des équipements des unités puisque voilà sur le terrain il faut être capable de se ravitailler aussi bien en eau en carburant etc. C'est important de le rappeler. Alors cette ambulance qui s'appelle Safara, Safara qui veut dire euh, Là, c'est le, le, bataillon d'artillerie qui vient. Hein le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Bachili. Tout à fait, tout à fait. alors artillerie nous, ñoom ñoo yore canon yu magie, yi maanaam missile yi wala. waaw canon yu canon nga xamante ne On na euh, obus. Hmm. Euh, mën comme yenn saa troupes troupe dañuy soxla ñu.

nek militaire yombul de moom colonel. Ah, yom yomb na yombul. li mom gàddu ko rek mbir la lii moom gàddu ko rek mbir la moo tax euh, civil yi war len gëna respecter parce que li du ku nek bokay koy song ñun civil yi war nañu roy bu baax si militaire yi comme ni koy waxee parce que discipline bi waaw xoola engin bële. c'est c'est quand même du lourd ça. donc ça c'est des 155 de TRF1. Donc c'est de l'artillerie lourde, l'artillerie de campagne. Waouh, impressionnant. C'est des armements de, de grande capacité. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal, hein. c'est le pays de la Teranga, mais qui sait se défendre quand il faut et accueillir les, les étrangers euh, comme il se doit. Oui, aujourd'hui, comme euh, hier, hein. c'est toujours important pour un pays de, prendre soin de sa défense. Ce n'est pas, un acte hostile, c'est juste euh, que. qu'il la paix, prépare la guerre, c'est important. Et ces canons qu'on voit, mon colonel Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lance-roquettes multiples. Donc, euh, vous voyez, ils sont capables donc de délivrer des tirs. Euh, Combien je vois Je peux compter rapidement Ah là, là, là, c'est presque une quarantaine, non On est, voilà, 4 fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait, tout à fait. 4 fois 7, 28, et il y en a plus de, de, 7 sur... Euh, donc, ce sont des lanceurs multiples. avec ses gros camions. Niasia, salut aux populations de Niasia. Tout à fait. et Tafoun, on voit les noms de ces euh, camions. J'ai vu tout à l'heure Kouna, ça nous fait penser à Goudon. Et les Mané comme Sadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde. Et après, le premier bataillon d'artillerie aux ordres lieutenant-colonel Hassan Batili. Il y a des batteries de 150 TRF1. Ça veut dire quoi Ça, c'est la puissance oui, c'est le gros canon que vous avez vu, donc c'est du 150 mm. Et TRF1, donc c'est la, la marque. C'est si vous voulez, c'est l'appellation, c'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient alors c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. donc, euh, avec à sa tête le lieutenant-colonel Donc, euh, vous savez, le génie euh, a un rôle très important euh, en particulier dans l'appui aux, troupes sur le terrain. Et ces gens, avec euh, ces casques, ces, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, oui. c'est toujours le génie, c'est pour le déminage C'est toujours le génie, voilà. Donc ça, ce sont des unités de, déminage qui sont capables, donc, avec leurs euh, engins, de, faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magui Magaïgué hein, qui s'occupe du processus de déminage en Casamance hein, au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malawo, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. il faut aussi savoir que le génie a une, euh, dimension, euh, disons, euh, travaux. Là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage des unités de forage. Ah, ils font et, forage pour, et cela permet également au génie donc d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des, compétences, ce sont des savoir-faire, euh, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins. Ils travaillent avec le PUDC pour, euh, pour euh, peut-être bien pour le, les, forages que le construit, ou bien quand il s'agit de de forer quelque chose euh, quelque part, ils peuvent le faire. Ils, peuvent faire également. Ils ont, ils, ont, ils ont des capacités de forage, euh, ils ont des capacités de, capacités d'ouverture de, route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements, avec ces images euh, de nos réalisateurs, James Sadbo, Gay Awasil comme assistante réalisatrice. De notre côté, Ibrahim Ndiaye et l'ensemble des réalisateurs Omar et de Tandarma. Nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RTS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, euh, directeur de la radio, mon ancien encadreur, Pape le DG sans lettres, officiellement. Salut également le directeur général Racine Tala et l'ensemble des équipes de la RTS. Dakhaba, directeur de la télévision, Sargal Lenwa RTS Yep, Agni Setal, C'est une télévision nationale du Bosphore Solovi.

et l'emport également qui nous suivent au aussi. Yassia, Dibonker, un peu partout dans la verte Casamance, Magé Diop, Mongok, Manglei, Gorom, également parce que nous célébrons, à l'instar des États partis à la Convention, sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, ni convention d'Ottawa avec le ministère des Affaires étrangères qui célèbre cette journée aujourd'hui, 4 avril. Magayop, merci pour ces informations et plein de succès pour euh, l'action contre les mines. En casement, ça ne peut pas attendre. D'air, Tofo, voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif de ces équipements que le président Macky Sall entend doter l'armée sénégalaise. Et euh, voici l'armée sénégalaise, les jambards. Je vois Yokadu Acier, ça me rappelle Emmanuel Baji. l'homme de Sindon, l'homme de Adeyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et population de Nyangui, ça. De Fanda également, Almami. Ah, ça rappelle Almami Sanya, ce nom. Le président Almami Sanya et puis Sine les populations du Sine, bonjour à vous. Ninglendi, Nuyu. On va dire Nafio à tous les serrères, Mehemen, Tambina. On dit pour ceux-là qui sont de Et puis, saluer ces rois des serrères, ces Diola de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard tolambourg à Hambourg, Bignona, Osui, Salion le roi et et et euh, l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Osui. Et après cela, mon colonel, nous allons passer aux forces spéciales. Ah, ça, c'est très attendu. Hein. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà, donc c'est le détachement des forces spéciales c'est une unité euh, très importante dans un dispositif. Euh, ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande euh, d'être des soldats, plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans, l'emploi. Et c'est de se démultiplier. Hein. Exact. Sinon de se transformer en... Parce qu'ils sont, ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie hein, pour euh, la situation qui prévalait là-bas à l'époque, il, y a deux ans je pense, avec la mission de la euh, CDO. Exact. Donc leur emploi est assez spécifique. Euh, ils ont même des, des cagoules. oui, tout à fait. avec, des bérets rouges, voilà. Même leurs voitures sont encaboulées est-ce que en ville ou pas ah si, ils ont besoin de, de s'entraîner, de <laughs> ils ont besoin de s'entraîner, de, de, de, vivre en ville aussi. Les voilà, forces spéciales. Voilà. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très, très court préavis. Exact. mais dafa mel ni ren sax New York seen loxo parce que lii ils ko woon il y a deux ans quand même ni ñu blindé ni ñu euh, kiiwee oto yi nii naka lañ koy waxee euh, lii nii. ce sont des véhicules de transport en fait ça ce sont des filets de. voilà camouflé. filets de camouflage filets de camouflage dañuy les forces spéciales après, nous allons, au colonel Koulibaly, bataillon d'infanterie aux ordres du lieutenant-colonel Sinifal. Donc, donc à présent, donc, les, unités militaires sont terminées. Euh, c'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah oui. Voilà, donc... Euh, les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par euh, une grande diversité de missions. Donc, pour ça, qu'ils ont, leur rôle est très important dans la préservation des, ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise. Voilà, c'est le principal pilier de, euh, de la protection civile au Sénégal. Avec ces casques qui brillent comme euh, ce soleil qui rayonne euh, sur la place de la nation en ce 3, 4 avril en ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance, que le Sénégal célèbre fièrement sous les yeux du président Macky Sall, président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République. Mon colonel Ampa, vous voulez dire quelque chose pour la douane euh, Les travail très important de déploiement on a remarqué qu'il s'implante de plus en plus dans tous les départements du Sénégal, ce qui est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, euh, surtout dans la circulation, parce qu'avec les embouteillages, je pense que c'est une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. C'est à saluer. Merci, lieutenant-colonel Habib Ampadian, chef. Euh, visite Dakar Port Nord des douanes du Sénégal. Et nous attendons votre défilé. Hein, on va voir qui va gagner également euh, chez les forces de défense et de sécurité. Et qui a été le mieux préparé à offrir euh, un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Oui, oui, oui, oui, surtout pour les inondations, le plan Orsay qui sont très, très prévisibles. Et puis c'est quand même encore d'élite, mais très sage. Yom, maintenant, vous savez suma ça pour vivre un problème civil déjà donnez-nous le lëkkaloo. oui parce qu'ils donnent leur vie. chaque jour dans les feux, dans les incendies dans les accidents pour sauver les populations. c'est de manière générale la vocation de toutes les forces de sécurité mais ce corps quand même est assez spécial surtout depuis qui se déploient euh, partout dans le pays, on le voit avec des engins euh, vraiment pour permettre d'éteindre le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec euh, des engins de la brigade NRBC, le regroupement NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis, c'est justement de groupement. Ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers sous l'air Macky avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements. La brigade nationale des sapeurs-pompiers, euh, on a vu au Grand Théâtre euh, justement ces, engins qui attendent euh, pour être utilisés. Et puis en dans le cadre de la protection de l'environnement marin en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar, pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis la compagnie radiologique, biologique et chimique, qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention en la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est rapport avec tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec ses missions et tâches quotidiennes, l'engagement de ses personnels, fidèle à sa devise, Sauver ou périr, en détachement motorisé, avec 57 euh, véhicules et engins, dont 7 motos d'intervention rapide. Ça également, c'est une trouvaille. Depuis 2012, dans sa transformation, la brigade a entamé une montée en puissance sur le maillage du territoire national, surtout de ses équipements, sur 466, 460 véhicules et engins. Plus de 200 ont été acquis à partir de 2012 et qui ont permis le renforcement du maillage du territoire national avec une vingtaine de casernes. Voici les vedettes hein, avec lesquelles la brigade travaille euh, au niveau de nos eaux territoriales, la création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations et la célérité dans le traitement des sollicitations des populations. C'est les soldats du feu qui défilent sur la place de la nation et puis des interventions effectuées en 2022 pour les forêts, 789 interventions. C'est énorme. Et vous travaillez beaucoup avec eux, hein Mohamed Gueye de la police. De l'intérieur, le ministère de l'Intérieur avec Abdoulaye. Antoine Félix Diom. Nous travaillons euh, en parfaite harmonie. Euh, mais là, je pense que nous allons assister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, au défilé motorisé de la police. La police nationale. Voilà, la police nationale. Avec ces euh, couleurs symboliques. Euh, avec ces couleurs symboliques. Hein. le blanc et le, et bleu. le, blanc, pourquoi C'est ça. Bon, le blanc, comme on le sait, hein, le blanc, c'est le symbole de la paix. Voilà, donc le blanc, c'est le symbole de la paix, la couleur de la paix. Et le bleu Voilà, donc, et le bleu, c'est, ça symbolise euh, tout ce qui est prospérité, tout ce qui est véritablement la force également. Comme le bleu de l'océan. voilà, ça symbolise cela. Donc le, défilé motorisé euh, est composé de, de, de 80 moyens, hein, des moyens euh, mais qui est euh, disposé en deux rames. Nous avons une première rame qui est composée de 31 motos. D'abord, on a le, véhicule de commandement que vous voyez défiler, après le véhicule de commandement. Avec l'adjudant Abdoulaye Cham. Voilà, Abdoulaye Cham. Vous avez également le, le drapeau et sa garde. Après le drapeau et sa garde, vous voyez euh, la rame de moto qui, qui, défile, composée de 31 motos Yamaha. Euh, qui, est par l'adjudant John. Et c'est ces motos qui assurent l'escorte des hautes personnalités, euh, que ce soit au niveau des personnalités nationales qu'internationales, à savoir le président de la République en visite officielle, les ambassadeurs, euh, lors de la présentation des lettres de, de créance. Mais également, ces motos sont, sont utilisées dans le cadre de la, de la, régulation de la circulation routière, donc qui travaillent beaucoup dans la dans la sécurité routière. Je vois que des hommes dedans là. Voilà, non, il y, y, a des dames. Ah, il y a des dames. Donc c'est une compagnie d'ailleurs qui est euh, qui est composée aussi bien d'hommes que de, que de femmes. Alors la deuxième euh, section, elle est composée vous l'avez vu, des véhicules d'intervention, mais aussi des véhicules qui sont utilisés au niveau des, commissariats, ce sont des boxers euh, qui peuvent avoir une capacité de, 20 euh, places hein, qui sont utilisés dans les commissariats de sécurité publique, mais également qui sont utilisés en matière de maintien de l'ordre. Voilà, vous voyez également à côté euh, les boxers, euh, qui sont des véhicules de transport de troupes euh, qui sont utilisés également dans le domaine euh, du maintien de l'ordre. Je vois des véhicules équipés de je ne sais quoi en haut là. Voilà, ça c'est les, véhicules de, soutien. Ça c'est les véhicules artificiels de la, de la, de la BIP qui sont utilisés par la brigade d'intervention polyvalente. C'est des caméras qu'ils ont Voilà, qui sont des, caméras. Ce sont des véhicules euh, euh, de commandement mobile, des unités de déminage qui sont utilisées par le groupe, euh, la brigade d'intervention polyvalente dans le cadre de ces activités de déminage, dans le cadre également de ces activités à haut risque. Ces véhicules sont, utilisés par cette unité d'élite de la police nationale. Et la police, euh, ça c'est le... Ça, ce sont également des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés euh, par le groupement mobile euh, d'intervention. Voilà, ce sont des... Et on a vu la BIP, hein. c'est la brigade d'intervention polyvalente. polyvalente. à dire que c'est des policiers ou des, des anciens militaires de C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les domaines, dans la protection rapprochée des hautes personnalités, mais également dans l'intervention, dans des interventions à haut risque. Euh, mais là, on voit le groupement mobile d'intervention, bien évidemment avec euh, euh, le, les véhicules de transport de troupes. Mais là, on a les chars, les chars qui sont, qui sont utilisés. Il y a des chars de type long et des chars courts qui sont utilisés dans notamment le domaine du maintien. Avec des dames, je ce sont des femmes. Voilà, euh. il y a des dames qui sont là-bas. Vous savez, la police eh. est pionnière en matière d'intégration de la femme. Ah, vous étiez voilà, donc la police a été la première des forces à avoir intégré en son sein des, dames. Donc, euh, vous voyez les véhicules qui sont utilisés. Et ça, c'est des véhicules qui peuvent, euh, non seulement du point de vue opérationnel, qui offrent beaucoup d'opportunités, voilà, donc à, aux, hommes, mais également. C'est des euh, véhicules blindés, ça C'est blindé, oui, oui. Nous avons vu que blindé. Ah, wow. blindé. Donc, les ah, wow. acquisitions UBS, la police, dans le cadre de sa montée en puissance, euh, yii mooy euh, matériel yu bees yi nga xamante mais li nekk si kanam lan la am na ko mooy lu tax ñu defal leen yii nii mel ni waaw yii yëpp lu ci nekk rek am na lu muy jëriñ ci wàllu maintien de l'ordre yii boo en général mooy permettre bu fekkee ni am na lu ñu taal wala lu ñu teg ci ci mbedd mi ay barricade ñu mën ko teg teg yi facilement pour mën permettre aux unités ñu mën évoluer correctement sur les théâtres de de maintien de l'ordre ah, donc gis nga boo gisee yii mooy yi nga xamante ni moo gën a gudd mais yeneen ñi mooy yi nga xam ñoo gën a gàtt bu ci nekk gis naa bu tudd Kumba Bang <laughs> di waaw loolu lépp pour euh, wane rek Saint-Louis waa Saint-Louis surtout voilà pour wane rek ni euh, la police est une partie intégrante de la de la population maa ngi gis Mbossé fële voilà Blouf fii voilà ah. également ce sont des c'est des des types de chars voilà donc dans le domaine du maintien de l'ordre qui est qui est utilisé voilà ça également c'est une autre catégorie de char qui est utilisée ça on l'utilise aussi bien à l'interne que sur les théâtres d'opération donc bon, demain, même si...

Nous ñu am et puis ñu gën euh, voilà dans les conditions et puis je pense que ça voici la police ah, ça c'est les ambulances c'est des ambulances Il nga a euh, des véhicules qui sont utilisés en soutien aux unités sur le terrain par exemple si nous ñoo xam blessé wala sur le terrain équipe puis ambulance nous ñoo di jël euh, di jël en charge. la police nationale avec le lieutenant-colonel Mohamed euh, Gay qui nous sert de consultant. Et vous voyez, c'est l'administration pénitentiaire. Aux ordres du capitaine Patekan ñii de kenn namu leen jege nag wax dëgg yàlla ma ne ñii kenn namu leen jege de. Ah, <laughs> waaw ñoom aussi xam nga suñu ay cousin lañu parce que yàggul bi ñu amee école administration pénitentiaire donc ñoom ak police lañ daan boole di leen former au niveau de l' école nationale de police donc ñoom suñu ay euh, waaw suñu ay cousin lañ même su fekkee ni ñoom euh, ministère de la justice lañ aju mais dañ leen daan boole ak euh, les policiers di leen former maintenant après di ko mettre à la disposition de l' administration pénitentiaire colonel bokande Bon colonel, nous vous saluons et l'ensemble de, vos équipes euh, qui passent devant nous avec, avec des chiens. Bah, ils ont des chiens maintenant. Une euh, unité canine, euh, qui les appuie également dans le cadre de leur travail. des gens qui ont été formés par la section sinophile de la gendarmerie nationale. Et euh, il y a une possession dans, l'administration, dans les, dans, prisons. Toujours dans le cadre de, la recherche de stupéfiants qui pourraient être introduits dans les, euh, dans les maisons d'arrêt, les maisons d'arrêt de correction. Donc, euh, c'est dans le cadre de la surveillance. Et ils ont même des citernes maintenant. Effectivement. Donc, c'est aussi une montée en puissance. Si vous voyez de manière générale, on note une bonne montée en puissance sur l'ensemble des, des au niveau de toutes les institutions de la République pour montrer un peu euh, comment euh, les autorités sont devenues aujourd'hui sensibles à ces, euh, à ces priorités sécuritaires. La sécurité avant tout, on dit, pour justement éviter que l'ennemi connaisse vos faiblesses, il faut travailler pour son il faut travailler pour son invincibilité. Et c'est important de rappeler ces phrases de ces grands auteurs VGS, avec également Satchou. Et puis, rappeler encore une fois que la patrie est reconnaissante encore une fois à ses forces de défense et de sécurité. Depuis euh, plusieurs jours, la RTS le montre à travers différentes émissions, les magazines, le journal. Et nous sommes tous fiers de vous avec euh, les partenaires du Sénégal, le corps diplomatique qui qui suit euh, attentivement hein, ce qui se déroule actuellement au niveau de la place de la Nation.